disais que Mbagnick euh, dafa euh, def défi boo xamante ni euh, dëkk boo dem nit ñi bëgg nañu mel comme Mbagnick boo demee France di nga fa fekk tubaab bu bëgg mel ni Mbagnick boo demee Amérique di nga ko fekk américain bu bëgg mel ni Mbagnick boo demee Côte d'Ivoire fekk fa Côte d'Ivoirien bu bëgg a mel ni Mbagnick Burkina Faso mi ci coow lu bëri lii boo fa demee itam gis fa Burkinabé bu bëgg a mel ni Mbagnick donc moom li mu def ñun moom la ñu tuddee défi don euh, sénégalais ba nepp itam ba am fi woyou dotul fay ci njàmbaar gi mu doon lolou moy taxawaayu Aminata euh, ci yeewu leen bi Aminata ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay def ah. ngi fi. alors tay dañuy waxtaanee ki tudd euh, Khady mom def lepp lu jëm ci walu BTP. BTP mhm. ouais, justement donc radignan, bon avant mes may def entretien avec moom je mhm. connaissais pas beaucoup de d'informations sur elle. Mhm. mais apparemment c'est la femme d'un d'un français qu'on a eu à inviter Nicolas ah. Stéphane Gessin mhm. donc euh, Denis dem entre entretien bi. après pour Ok. Euh, ok Moi j'ai plein d'amis qui rêveraient de, revenir chez eux parce que ça leur manque quand même, euh, le pays leur manque quand même. Mais je les comprends dans un sens quand, quand ils hésitent et qu'ils y réfléchissent à deux fois. Parce que aussi, c'est... Ils savent qu'ici, parce qu'on a, une, on a une culture, une société dans laquelle euh, c'est peut-être mal vu. À la limite, ils sont jugés quand ces gens-là partent euh, pour l'extérieur euh, un certain temps et qu'ils reviennent pour, pour ne rien apporter ou pour ne pas changer, si vous voulez, le, le cadre de vie ou le niveau de vie de la famille. Donc à un moment, il y a beaucoup de choses euh, qui se bousculent dans leur tête, on les comprend, mais euh, je pense qu'avec un, concept comme les défis de la diaspora, c'est peut-être des gens qui ne seront pas assis au banc des accusés, mais qui pourront effectivement euh, concrétiser leurs rêves aider le pays à avancer et en parallèle aider aussi beaucoup de gens qui n'y parviennent pas même s'ils ont beaucoup de volonté. Euh, les aider à, donner un sens à leur vie. Parce que c'est clair que ce, soit pour eux ou que ce soit pour euh, une autre personne ici, c'est tout le temps des gens qui sont jugés. Euh, un homme peut se réveiller dans sa famille, même si c'est sa propre famille, s'il n'arrive pas à poser de l'argent sur la table le matin en partant ou en arrivant, et à un moment, il, euh, est à chaque fois jugé et marginalisé. Donc c'est un peu dur pour eux. Et je pense que ces, ces, Sénégalais-là qui sont à l'extérieur et qui ont euh, euh, des idées qui germent dans leur tête quant au développement du pays, c'est effectivement une bonne chose que de les aider à, à, les concrétiser. Parce que vous, aidez beaucoup de gens ici et euh, vous participez effectivement au développement du pays. Ce que, ce que recherche tout le monde, ce que recherche tous les Sénégalais et, surtout euh, alléger un tout petit peu les charges de, de l'État, même si je ne prêche pas pour leur paroisse. Mais il euh, faut dire que les gens attendent beaucoup d'eux, même si on sait que voilà, tout ne peut tout ne peut pas venir de, l'État. Il faut quand même des gens comme, euh, comme, euh, comme ces Sénégalais-là de l'extérieur, comme les, jeunes du pays qui sont là pour, euh, pour que ça avance. Il faut que tout le monde y mette du Alors Khadija s'appelle-t-elle C'est une femme, mais elle s'impose euh, dans son domaine. Hein. Oui, un, domaine. Pour Khadija fait euh, BTP, donc les plus jeunes, le bâtiment. Ouais, bâtiment hein. ouais. un, domaine pour on en général. C'est vrai que c'est les hommes qui travaillent. Voilà, la majeure partie, ce sont des, les hommes qui sont là. Donc, mon fille, Phil a évolué. Elle a travaillé 10 ans dans une entreprise

Il faut savoir que pour mal il y a trois choses extérieur soit c'est pour aller chercher du savoir de l'avoir ou bien savoir avoir en même temps non soit c'est pour chercher du savoir de l'avoir ou bien du savoir et de l'avoir. Madame avoir moy dame xam-xam am am xam-xam ak am am. am tëddal yeb. déedéet du ma toj tu as quel âge Aminata. j'ai 24 ans. c'est faux. TTC. 40 ans. j'ai 24 ans Donc ko bi mu toj. c'est vrai que li nga wax def li nga wax deug la ah ku nek ak li lay yobou. voilà ku nek ak li lay yóbbu boo

tu comprends par exemple Europe il y a 600 000 diplômés scientifiques par an mhm. la majeure partie ce sont des étrangers ah au Japon il y en a 230 000 et aux États-Unis je pense il y a 370 000 par an donc imaginez nous ne connaissons que bu sa am de fa def hein. hein. aussi parce que man par exemple par rapport à Job Job, je reçois beaucoup de CV de personnes qui sont à l'étranger, qui veulent revenir. une seule am expert enfin diplôme yi war expérience mais Sénégal automatiquement euh, mënuñu peut-être les fonds qu'il faut pour créer leur boîte comme euh, le font certaines personnes. un accompagnement côté pôle emploi Sénégal fait comme ça se passe en Europe parce que quand tu tapes emploi il y a des pôles emploi dans chaque euh, région mais filles Sénégal on loolu. Mhm. accompagnement amuñu ko. est-ce que aussi un retour euh, pour Nibisi, Donc, on a créer sa boîte y Il a eu ce diplôme tu ne trouves pas d'emploi aussi. Mhm. mais après il y rek mu sotti. justement déjà moi je pense que de 1 million à 100 000 pour créer une boîte c'est une chose mais en sànniwuma leen xeer mais la majeure partie des gens qui viennent de l'extérieur pour ubbi boîte dañu foog ne bu ñu ñëwee rek boîte dafa exploser c'est pas le cas mm. parce que jeunes yi nekk de dañoo xarañ dañuy tu vois ñoom tamit dañuy jàng mais ñi fi aussi ils ont l'habitude de de de galérer peut-être que fait des fois mooy au Sénégal tout mais pour ñëwee fille, cette entreprise nous exploser parce qu'il y a des jeunes qui sont là ils ont ramené. machallah rien à dire sur eux mais ce qui serait pas ce qui serait pas mal moi boo fa nekkee di jang vacances nga ñeu soit def ay stage fi wala vacances nga ñeu essayer personnellement je l'ai fait essayé na ñeu ben vacances ci ils m'ont dit demal une expérience nga donc je suis allée faire des stages chaque mois ma len di envoyer sama CV Donc sonne tout le temps tu envoies ton CV parce que internet bi mo amé ba je pense que kenn sonnatul tu envoies ton CV peut-être dinañ la jox ay réponses négative mais tu insistes à chaque fois bonnie à vacances essayer essayer au moins de ton retour yi je euh, euh, aussi ñibbi si c' est cest dafa am benn volonté bu mu laaj. tu mhm. sais am na benn benn ñun tukki nañu ah. Mhm. man tukki naa. bu ba ay ay voilà. ak ay nit yoo xam ne non non parce loo xamante ni man aussi daf ah. ma dama koy de ce corps voilà sort de ce corps non dama bëggoon wax que ni c'est-à-dire am boo waree ñibbi te ñibbiwu la mm-hmm. boo nga dépassé ko ah. nga toog fa yenn at pour ñëw mooy métti moo tax bul ko wékk rek

di dund yeewu taal sa oto gis sa yaay wala jël kaar gis sa yaay gis sa ay mbokk dégg olof. taal sa oto. Euh, taal non boo taal sa oto. foofu laa ni ni oto bu mag fële non dama doon eggal dama ne nit yore na oto bu rëy fële ak kër bu rëy. Mm. nit yore fi benn salaire de soixante quinze mille. Mm. gën ko heure gën ko demee voilà exactement c' ça que je dis. Ah. dafa dafa laaj plus que que ay prétentions salariales wala yooyu. te bu ñu gaaw a découragé.

yéen ñi nga xamee ni euh, yéen a bëgg a def comme ñoom euh, du metti nag ah wolof wax na ko dara xëyut sotti mm. waaye ñaara am avoir ak savoir bu ci nekk euh, ak ku muy yóbbu. voilà donc. Euh, xale yi ñu bàyyi xalaat rek euh, am na ci ñoo xam ne dañoo feebar ndax bëgg a dem. Mm. am na ci xale yoo xamante ni defatuñu dara dañoo toog. ak ñuy xaar dem ba egg a liggéey. voilà fekk dem su ma tànk daw ma du ma liggéey te foofu boo demee bul xam ban liggéey ngay def. boobu tamit doxul mais merci Aminata. merci Pape Cheikh kontaan nañu. Ah. maa leen gën a kontaan. dërëng dërëng moom jàngee naa ko fi rek tey. <laughs> Pache, waxal fuite de cerveau rek. voilà brain drain. brain drain. c'est ça non. éviter le brain drain. mel ni al su mën a togg dëgg togg toggalaa. waaw kañ lay wax fuite de cerveau ñun ñëpp ñu noppaliku. Fuite des cerveaux, c'est ça. Voilà. <laughs> Merci Aminata. On te retrouve euh, jeudi prochain euh, pour parler de cette rubrique muy défi 10. venons de de nanal encore jeudi bu dans quelques minutes de euh, dinañu recevoir la paroisse Saint-Joseph de Médina Denis Sopi suñu studio B en paroisse def ambiance euh, ambiance Cora.